14 février 2024. Il est 11h à Niamey et partout au Niger. Bonjour, chers auditeurs du Niger sur Kalangou. Très ravi de vous retrouver. Vous êtes en compagnie de Rabia Meikano et Samira Rouafi pour la présentation. Bonjour Samira. Bonjour Rabi, tu vas bien Ça va bien, merci. Alors quoi de neuf ce matin Samira, comme tous les mercredis, nous parlons environnement dans la rubrique hebdomadaire, suivie de la chronique Loti et de la page sport. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et nous n'allons pas la fêter qu'en musique. Dans l'écho des régions, nous irons à Tawa pour en savoir plus sur cette fête des amoureux. Également, pour marquer le coup de cette fête de Saint-Valentin, ce matin, nous recevons Madame Madaouda Saratou promotrice de l'entreprise Nice Surprise, spécialisée dans la préparation et livraison de cadeaux. Cette émission ne serait pas sûre qu'elle est sans les doigts magiques de nos techniciens. Un gros coucou à Kader Chambiano et Adam Adawaki qui assurent l'édition. Restez branchés pour ne rien rater de cette émission spéciale Saint-Valentin. Chers auditeurs, comme d'habitude, nous débutons avec le flash d'information et aujourd'hui, il nous sera présenté par Rafika Attaher. Bonjour, Rafika. Bonjour les filles. Elle est habillée aux couleurs de la l'amour. Ah mais bien sûr. <laughs> Alors pour ce matin, l'Office du baccalauréat des équivalences et des concours du supérieur a décidé dans un communiqué de prolonger la date des inscriptions des nouveaux candidats pour les épreuves du baccalauréat 2024. Selon le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, la réouverture exceptionnelle court du 12 au 22 février 2024. Une importante quantité de drogue composée d'environ 5 kilos de chanvre indien et plus de 20 000 comprimés de tramadol d'une valeur de 28 millions de francs CFA. Cette saisie a été opérée par les populations de Tambogarba dans la commune rurale de Sambera et remise à la préfète de Dosso. Le directeur régional de la police nationale de Dosso, le chef d'antenne de l'octrice de Dosso et le procureur général près, tribunal, près le tribunal de grande instance de Dosso ont saisi l'opportunité pour inviter les populations à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Terminons ce flash en rose, célébration aujourd'hui de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Le 14 février est la date préférée des amoureux du monde entier depuis une cinquantaine d'années. Fête célébrant l'amour pour les uns, mais pour d'autres, cette image rose bonbon cache une réalité beaucoup plus commerciale. Au Niger, tout le monde a en tout cas son avis sur le sujet. Voilà pour le flash de ce matin, un flash un peu rose. Merci, <laughs> merci Rafika. Alors, euh, comme annoncé tantôt, nous attendons incessamment Madame Tiemogo Saratou. Elle est la promotrice d'une entreprise spécialisée dans la préparation et la livraison des cadeaux. Ben, naturellement, elle est overbookée, mais on l'attend incessamment. Alors, Samira, avant qu'elle n'arrive, nous allons entamer euh, ma partie préférée, c'est celle des chansons. Et la sélection d'aujourd'hui est toute rose. Et nous allons commencer. Attention aux âmes sensibles, voici pour vous, pour votre plus grand bonheur, nos Valentin et Valentine Manigo de Idissarki. Manigo. Akasine kundustu Akasine tibafunneyi Uga Neybi neyzo Mahanga neyseyi Uye Ikoi beri Gana bakasine ite Zama Bakasine ise nascer. miniyata ina kike manigo aibin bako inakike ina kike aminiyata ina kike kina kina Spécial dédicace à tous les amoureux qui nous écoutent en ce, moment sur cette émission. Alors, L'artiste Sarki chante l'amour depuis longtemps, avec ce titre Manigo qui veut dire tout simplement Où es-tu en Lanzarma Sarki cherche, il est à la recherche de son amour, sa raison de vivre. Sa raison de vivre qu'il cherchait désespérément car pour lui la vie c'est l'amour après tout. Le son est sorti en 2009 et il a fait chavirer pas mal de cœurs touchés par Cupidon. Et fucking que Aussi harmonieux est l'amour. Cet amour qui nous tue, qui nous ressuscite, qui nous déracine, qui nous galvanise, qui nous charme et désarme. Oh baby, cet amour qui nous unit plus que toute autre chose. Baby, 11h09 minutes à Niamey. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous n'avez rien raté. Vous êtes en compagnie de Rabia Mekano et de Samira Wafi pour le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Et nous passons à la rubrique hebdo en attendant notre invité. Et dans la rubrique hebdo environnement d'aujourd'hui, nous partons dans le département de Dogondouti, région de Dosso. Et nous partons à la rencontre des maraîchers dans leur jardin où des maraîchères dans leur jardin mhm. où elles déplorent l'insuffisance de l'eau pour l'irrigation de leur culture. Les ressources en eau du site maraîcher s'amenuisent de jour en jour. Un reportage signé Abdelaziz Tayouma. Je suis sur le site maraîcher du village de Koukabokoy dans la commune de Dogandouchi. Il est uniquement exploité par des femmes. Sur place, je retrouve des productrices, elles cultivent plusieurs spéculations. C'est avec ces puisettes traditionnelles comme moyen d'irrigation qu'une centaine de femmes venues de quatre villages exploitent le site. Maria Magaji est l'une d'entre elles. muke mata sai yanzu duka matsan sai mun ka shigo yanzu kamar misali duka eka na saba'in da biyar wata eka akwai mace bu ciki wata eka har mace uku a cikinta wata eka kuma mace guda ta wadda bata dankara ta ba wani ba muna kai mu wajen mu ɗari da wani abu yanzu gari hudu muke ga mu mu kuka bakwai akwai bangu akwai tsalle akwai anguwar lanke to muna noman salati muna noman kwambetar muna sa shu da kubewa ga kana gani da muka noma L'une de leurs principales contraintes, l'insuffisance de l'eau, elles produisent dans des conditions difficiles car les sept puits qui comptent le site tarissent vite, selon les explications de Mariam Magaji. hudu suka tasowa su taho su bai mu kun suka shi da kaga mun kama ga sai mun zo karhe goma muna nan muna sai sai bayan la'asar muka gama tun da ruwa ba su ishe mu ba kuma da matsala yanzu ga sanan ku biwa mu a sa sakin diya ba mu da maganin sa kwali suwa sokiya shi zuwa lalaciya mun ba mu da kayan aiki tunda kaga yanzu a rozan ga sai wata mace ta aiki wata ta duka ba mu da kayan aiki inda kayan aiki ba mu da iri tunda ba mu samun mai kawo mu da iri yanzu gaskiya da da ganzarin mu na sabo an yi zaman kawo mana iri amma yanzu kan ba mai mana ba mai kawo mana iri sai mun sai mun sawo na kasuwa ko yalla kamar dan wangan shi salati muna iya bar ƴan uwaye in lokaci mu kwakwa mu watsa amma ba mu da iri malgré ces difficultés ces femmes productrices tirent quelques profits de cette activité muna da amfani da rai da ka ga sa'ad ka fara shi ana ganin kawo wahala na amma yanzu kan yayi radi bukin da duk zamu yi ba mu ko mu ce ba mu da kaza ba mu da kaza salati kan akwai kuɗi gare shi ko kakin mu kai ga kuɗin kwambetar shi salati kan akwai kuɗi tun da yanzu amule ce wurin ga an ka gauni wurin mutane ga tururi tururi mu to mu yayyake mu ta basu salati da kwambetar mun ci an barka shi. komi da komi mun yi ciki alhamdulillah mun gode mu sai bisa shan mu mu turke mu ambarka in mun shi bukin iyan mu in mun yi na range da shi nan mu in sun mun ka turke mu unhani da abin mu mu ko mun ci ambarka yi mun kan unhani alhamdulillah ba abin da ban samu ba ko ba gaskiya ba mun kama da nan sai da mun ka ashe kullum muna cikin koshin lahiya abinci mu ci mu sassuwa mu kyauta ba mu iya komi da kuɗi inda mun fara yanke kan kuɗi duk inda ka lwatsa jikin ganin kuɗi na Pour être à l'aise dans leurs activités, ces femmes ont un besoin de soutien car au fil des années, les réserves d'eau s'amenuisent. Alors, chers auditeurs, nous l'attendions depuis un petit moment déjà. Notre invitée, elle vient juste d'arriver. Bonjour, madame Daouda va Saratou. Bonjour, vous allez bien Ça va. Alors, elle est super occupée. Vous avez compris que c'est la promotrice de Nice Surprise. On l'a dit à plusieurs reprises. Alors, merci de nous accorder votre temps si précieux. C'est avec plaisir. Passons à nos questions directes. Alors, pour commencer, on est à la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Quelle est votre perception de cette fête, la Saint-Valentin alors, comme on le dit, euh, la Saint-Valentin, c'est une fête qui est très attendue, c'est très prisée. Et là, on est en plein dedans, donc euh, beaucoup de commandes, beaucoup de demandes et on espère euh, pouvoir répondre à tout ça. Ok. Alors, d'où vous est venue l'idée de créer une telle entreprise Ok, je dirais que euh, c'est une succession de coïncidences. Mhm. Je me suis d'abord posé la question qu'est-ce que je sais faire Et j'ai regardé également euh, le manque, ce petit vide-là Mhm. qu'il y a à Yamé par rapport à tout ce qui est événement surprise et tout. Et j'ai juste répondu. Mhm. Donc euh, voilà. Ah ouais. Alors, euh, qu'est-ce que vous faites comme prestation Night Surprise Alors, à Night Surprise, on a énormément de prestations. Mhm. Euh, le plus souvent, on fait des prestations d'anniversaire parce que c'est ça qui est le plus, demandé. Mhm. Voilà, les prestations d'anniversaire. On est... En fait, on essaie de véhiculer des messages. Euh, ça peut être des messages d'amour, de remerciement, de reconfort, de demande de partenariat. Mhm. Voilà. Mhm, Ok. Et ces messages, comment, comment ça se passe On vous suit sur les réseaux sociaux, nous voyons bien, nous entendons une belle voix qui vient avec euh, des gâteaux, <laughs> des cadeaux, avec de jolis messages. Tout à fait. Comment ça se passe C'est vous qui rédigez euh? Alors, pour les messages, déjà, les clients nous contactent. On essaie d'en savoir beaucoup plus parce que c'est pas, on ne connaît pas forcément la personne vers qui euh, on va. Mhm. Donc, on essaie de poser des questions au préalable pour un temps soit peu percevoir en fait euh, euh, la personne vers qui on va et demander c'est quoi, c'est quoi le message qu'on doit adresser. Mais en fonction de ça, on demande d'abord au client de nous rédiger un message parce que Nice Surprise, c'est aussi extérioriser en fait ce qu'on a sur le cœur. Donc, on offre la possibilité à ces personnes-là de vraiment mettre les mots sur les sentiments. Donc, euh, les clients, le plus souvent, ils nous envoient leur message. Maintenant, nous, on lit le message. Si le message n'est pas trop poignant, on essaie d'apporter des petites touches. Et il y a souvent, euh, il y a des clients qui nous demandent à nous d'écrire pour eux. On le fait également avec plaisir, mais c'est sur une base en fait. Il faut savoir déjà quoi dire, euh, voilà, c'est quoi le sentiment qu'on veut extérioriser. Mhm. Voilà. Alors, dans ce que vous faites, que représentent les périodes des fêtes pour vous, notamment celle de la Saint-Valentin Je vois bien que ah. <laughs> vous êtes... Euh, oui, très occupée, mais euh, des périodes de fêtes pour moi, franchement, c'est le moment. Euh, de faire un très bon chiffre d'affaires, mais surtout en apportant un bon produit, qualité, prix. Voilà, que le produit que vous allez offrir soit à la hauteur et que le, le prix également euh, soit quelque chose d'assez raisonnable. Et c'est le moment, franchement, pour tout entrepreneur, quand il s'agit des fêtes comme ça, surtout ce qui sont dans notre domaine, euh, de de faire énormément de cadeaux et de faire un bon chiffre d'affaires. Alors, euh, quels sont les services les plus demandés en cette période les services les plus demandés, enfin, c'est toujours les surprises. Hein. Mhm. Les surprises, il y a énormément de personnes qui nous contactent et ils nous demandent d'offrir des fleurs, du chocolat, des bouquets d'argent également. Les gens ah offrent, voilà. <laughs> Les bouquets d'argent. <laughs> les fameux bouquets d'argent. Donc euh, <laughs> voilà. Alors, est-ce que euh, cette activité, vous, ça, peut vous permettre de dire que la Saint-Valentin, ça se fait bien ici ou pas de par votre expérience. Bah oui, oui bien sûr, la, fin de, euh, la Saint-Valentin, ça se fait très bien. Mhm. Euh, souvent, les gens pensent que ça se fait pas, mais en réalité, euh, pour nous qui sommes dans le domaine, ça se fait énormément bien. J'ai une question qui me tarde l'esprit. Est-ce que c'est toutes les surprises qui sont filmées euh, oui, hein, je dirais à 80%, euh, à 90%, hein, si, vous voulez, nos, prestations sont filmées. Maintenant, après, ça dépend. Si la personne ne veut pas être filmée, on respecte cela. Mhm. Mhm. On ne filme pas, on va vers la personne, on le rencontre. On a eu déjà à faire ça plusieurs fois. Mhm. On essaye de passer le message et puis bon, voilà sans, pour autant filmer. Un hein. truc privé VIP. Oui, bien sûr, ça se fait. <laughs> On le fait. On le fait. Une petite question pour la route. Est-ce qu'il y a plus de bouquets de fleurs ou de bouquets d'argent <laughs> ah. <laughs> dans les commandes. Non, mais franchement, ça dépend. Hein. ça dépend. Les gens. Euh, en tout cas, pour cette Saint-Valentin, les gens demandent plus les fleurs que les bouquets d'argent. C'est vrai qu'on a eu à faire, euh, on est même en train de faire des bouquets d'argent, mais je pense que même les fleurs, ça marche. ça, marche. très bien. <laughs> ben voilà, merci euh, Madame Saratou pour ces précisions. Nous poursuivrons notre entretien juste après la pause musicale et nous retenons que la Saint-Valentin se fait très bien ici. Vous êtes bien placé parce que on passe les commandes des cadeaux chez vous. Vous êtes bien placé pour nous dire que, euh, mashallah machallah, la Saint-Valentin se fait bien. Nous avons beaucoup d'amoureux ici ah chez nous. <laughs> en attendant de revenir pour continuer cette charmante et belle discussion, nous allons à notre deuxième balade musicale. On vous amène encore plus loin dans le temps, au début du reggae nigérian. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une chanson d'amour. Écoutons ensemble Zinaria de Adams Junior.

Canada King. de Adams Jr. fait partie des chansons phares de l'artiste. Zinaria qui veut dire tout simplement l'or et la désignation de sa bien-aimée. Dans cette chanson, il décrivait un amour sincère et unique pour sa pierre précieuse, l'or, Zinaria. Cette musique a fait le tour du Niger et des pays voisins. Zinaria de Adams Junior, une chanson que l'on dédie à toutes les zinarias qui nous écoutent en ce moment. Toutes les femmes nigériennes, les femmes de par le monde sont des Zinaria. Alors revenons à notre invité du jour. Nous allons poursuivre notre entretien pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes le 14 février, jour de fête pour les amoureux. Et nous sommes en compagnie de Madame Dauda Tiemogo Sarotou, promotrice de l'entreprise Nice Surprise, spécialisée dans la préparation et la livraison de cadeaux. Alors, Madame Saratou, quelles sont euh, les occasions où vous êtes le plus sollicitée, à part euh, celle euh, des autres trucs et tout de la Saint-Valentin Ok, les occasions, euh, elles sont nombreuses. Hein. Par mhm. exemple, euh, aux anniversaires, mhm. les anniversaires de mariage, mhm. et aussi euh, lorsqu'il faut enfin, amener un cadeau pour une reconnaissance. En tout cas, les trois occasions-là sont très, Très Ok. Et qui sont vos principaux clients C'est plutôt les femmes ou les hommes Et comment est-ce que vous faites ah, le plus souvent, c'est en majorité, hein, si je peux le dire, c'est les femmes. Vous mhm. savez, les femmes sont très attentionnées. Euh, la, plus forte demande vient, des femmes. Mhm. Alors, vous avez une forte demande en ce moment, votre chiffre d'affaires augmente. À quelle hauteur ah. <laughs> <laughs> Et là, on est en plein Saint-Valentin. Il faut après pour, pour s'en rendre compte. Enfin, on sait que ça va. C'est bien ah, parti quand Il y a beaucoup de boulot. <laughs> Il y a beaucoup de boulot. Alors, qu'est-ce qui vous marque le plus dans votre activité Si vous avez une anecdote à nous raconter. Euh, énormément de choses, hein, si je peux le dire. Euh, des anecdotes, j'en ai vraiment plein, plein, plein, plein la tête. Euh, nice surprise, en fait, le petit moment qu'on rencontre le client, c'est des moments qui sont forts très mhm. très fort, parce que mhm. quand il s'agit d'exprimer un sentiment qui est très très sincère, par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Euh, J'ai été contactée par une cliente qui était en brouille, en fait, si vous voulez, avec son époux. Mhm. Donc, euh, il avait quitté la maison. Au lieu que ce soit elle qui, quitte la maison, c'était lui qui avait quitté la maison. Et franchement, elle nous a contacté toute déprimée en pleurs et tout. Oh. Et on s'est basé en fait, en fait pour faire euh, franchement une excellente demande de pardon avec son épouse et tout. On était partis ensemble hein, à son oh, bureau. Oh Elle a tellement pleuré, on a demandé pardon et je vous jure sur place le <laughs> À 18h, là, le monsieur, il, est, il était retourné chez lui et tout est rentré dans l'ordre. Pour vous dire qu'on vit des moments comme ça qui sont vraiment très, très marquants. Plein d'émotions. Plein d'émotions. Mm. Alors, vous avez un message à partager avec euh, nos auditeurs qui nous écoutent sur cette émission ben à l'occasion de cette fête Bien sûr. Alors, la Saint-Valentin, c'est la fête. Euh, c'est vrai qu'il euh, faut célébrer l'amour tous les jours mhm. de l'an. Mais la Saint-Valentin, quand même, c'est la journée spéciale dédiée à l'amour. Voilà, donc n'hésitez pas, exprimez-vous. Voilà, on n'a pas besoin de grands moyens. Voilà. Ouais. Exprimez-vous. Et puis, c'est tout. Voilà, de dire ce qu'on ressent. Oui, partager de l'amour autour de euh, Partager de, l'amour autour de soi, avec vos sœurs, avec euh, votre compagne, votre épouse. important. Vos enfants, voilà, c'est très important. Alors, oui, alors merci beaucoup pour votre disponibilité. On vous souhaite à vous aussi une très belle <laughs> fête de la saint beaucoup. Et que la journée se passe super bien pour vous. Merci beaucoup. Alors moi, je vais rajouter quelque chose. Euh, toutes les personnes peuvent nous contacter hein, parce qu'il y a des gens qui restent toujours en retrait, ils se disent que non, c'est pas c'est pas à leur portée. Mhm. Alors les prestations de Nice Surprise, franchement, c'est à la portée de tout le monde. Alors tout le monde est ciblé. C'est pas hein. trop cher. Non non. c'est un peu l'idée que je me. non non non non pas, du tout en fait. Nous pour nous euh, L'essentiel, c'est de partager l'émotion. L'essentiel, c'est de partager l'émotion parce qu'il y a beaucoup de malentendus, mhm, parce mhm, que mhm, tout simplement, les choses ne sont pas exprimées comme ça se doit. Et ces petits gestes signifient beaucoup. Mhm. Mhm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, mhm. beaucoup, beaucoup, énormément. Donc euh, voilà, exprimez-vous, c'est le message que j'ai à passer aujourd'hui. Voilà, en cette belle fête de Saint-Valentin. Saint-Valentin, merci, beaucoup, à vous. Madame Alors, chers auditeurs, on se reprend juste après la pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Pour les amateurs du Niger sur Kalangu, ceux qui nous suivent super bien, vous savez qu'on a fait un petit peu de changement. Au lieu de passer à la rubrique hebdo tout de suite, on vous l'a mis juste avant pour pouvoir attendre notre précieux invité qui vient de nous quitter. Maintenant, repartons en musique avec beaucoup plus d'amour et le prochain titre c'est Dole Dangana de Abdou Salam. Une chanson, bien qu'elle parle de gourmand ou de déception amoureuse en français, c'est une chanson douce car l'artiste est sorti de son registre habituel. tell you what I think about you, about love. Love is the best gift God has given to the, world. The first time he came, he called me you girl. I was bound to travel, and to that time promised me to be mine from an harbor. Lasting love. Many days have gone and you have skipped away with another guy. Let me cry, let me cry with my heart. Let me cry with my eye. Cannot, don't let dangana. dangana d'un de Abdou Salam Mamoudou. Dans cette chanson, il chante sa résignation face à un amour impossible. Samira, quand on dit Saint-Valentin, il faut pas oublier non plus qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vont pas pouvoir fêter cette fête pour X raisons. Alors, pour toutes ces personnes, on dit, euh, on leur souhaite que tout se passe au mieux. Exactement bien. Voilà. Si vous êtes de passage ou résident dans la région de Tawa, vous suivez l'émission L'Universo Kalangu sur la radio Takarkara de Bouza 89 MHz ou sur la radio Saronia de Madawa 102.1 MHz. Merci à la grande famille de nos médias partenaires. Restons à Tawa pour parler de la Saint-Valentin. Considérée comme dans de nombreux pays comme la fête des amoureux, les couples en profitent pour s'échanger des, des cadeaux. Oui, à ce propos, Idrissa Adamou nous a préparé un reportage que je vous propose de suivre. a zagayowar kowace shekara da ake gudanar da sallah masoya wannan sallah tana nan ga hayaka a fagen duniyar masoya yayin gabatar da shagulgulanta masu ƙaunar juna kan ƙaurace ma jama'a don halarta wuraren shakatawa da cikin gari ko a wajensa tare da shakikansu har ma da ba da kyaututtuka daban-daban a tsakaninsu kamar yadda wayannan matasan samari suka yi tanadi. lalle rana ce rana ta masoya rana san kana sa abin da zai faranta ma masoya ka da rai to lalle na mata tanadi abin da take so yana nan na tana da shi amma ba zan ga ko miye ne ba dai eh sirri ne an ga kano ne zan fara ban taba mata ba kuma wannan kyautar ta musamman ce da wannan yariya ma na alƙawalin armen ta zani abinda zan yi mata ma ya wuce haka kyauta ce ta musamman wadda ba ta bata ma lalle tun kahin watan gashin mutu na fara shirye-shirye insha Allah kuma ciki ko Allah na samu na kammala shi cikin nasara a matsayina na matashi dai ina nan na shirya ma masoyiya ta babban kyauta ta ban mamaki wadda ni da kaina gaskiya ina alfahari da wannan yariya dole na in mata abin girma su da yawa ma ta sha faranta min da rai mun san tsakanin masoya ba a cewa bacin rai ko wani abin gashi to da yawanci dai bacin rai yayi yawa cikin tahiyyata amma ni ban gani ne ita nake gani iya mata a nasu bangaren duk da wannan mawuyacin hali ba a bar su a baya ba wajen samar da kyauta ta musamman ga waɗanda suka zaba don nuna musu tsantsara matsayin su a gare su jamila idrisa ta yi karin bayani a game da tanadin da ta yi ma masoyin nata a ranar yau dai ta rana masoya wannan kado da ake bada shiryawa ake kai ma masoya mu ma muna shirin shi kuma gashi nan mun yi masamarukan mu wanda zamu taimaka musu yau me yi maka kana jin daɗi kai ma ya kamata kai mishi gaskiya ɗaukakar da yake min tahi wadda ni ma nake mishi shine yasa zan yi mishi abin da duk yake so to babban kado ne dai wanda dai ni dai bai kamata wani ya san ko ne sai tsakanin ni da shi amma gaskiya ko ni ina alfahari da abin da zan kai mishi a fannin kasuwanci na sayan kyaututtuka ba su nan ga gudana kamar lokutan da suka gabata in ji wani mai sayar da tufaya amma da abubuwan kyautatawa ga masoya abdulkarimu da dama dama dai an gode ma Allah dai zace me yanzu na san samarin kuɗi ne ba su da dai me lokacin baya dai ba guda ba gaskiya da harin ba dai a duka ana zawa da yake mu kayan mu dai kayan maza ne muke nan gaskiya da me mata sai dai dai can ba karasa ba su zo sai ma samarin kayan dai lokacin sallan ga ta san balantan dai maza sun yi zawa sai gaskiya suna zan sai ma tunda mun kawo musu su ma karon da za su ba mata su ma matan mun kama su karon da za su ba maza akwai ambali akwai agogo duka da sauransu dai ba su gayi me mun sun zo sun sai muna gane dai da samarin su ne suka zo sai ma Allah sarki c'était là le reportage de Idrissa Adamou sur la fête des amoureux à Tawa on se retrouve juste après pour le sport après cette courte pause le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. 11h passées de 39 minutes, vous pouvez retrouver ce contenu sur notre site web www.studiocalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. C'est l'heure du sport et notre chroniqueur Asumi Gourouza est dans la place. Bonjour, bonjour Bonjour Rabi, bonjour Samira. Alors, euh, la sélection lycée et collège des scolaires de Dogondouti a débuté lundi avec des activités scientifiques, culturelles et sportives. Oui, c'est dans le cadre de la commémoration de la 34e édition du 9 février 1990 que ces activités sont menées. Six équipes des établissements de Dogandouchi participent à cette sixième édition du Donner et de Recevoir. C'est une rencontre de foot avec euh, pour objectif principal consolider l'unité entre les scolaires de Douchi. Les explications de Mahamadou Bassakoyi, Nafiou, secrétaire général de la section USN Douchi, il est au micro de Hassan Abdou Arzika. wasannin da za a yi waɗanda lokal manya-manyan sun samu sun ka hallara mun samu lise technology mun samu cs aka zama mun samu cs ba mai hula sai je turwa kenan da an kamar da cs ba mai hula mun samu csp arewa akwai csp tagu sannan daga karshe akwai alkaka lise kabarin kabara to cikin lokal shiddan mun shirya an kai pul biyu suna an kai kenan pul a pul b ko wani akwai kenan an ka buga lede premier na biyu na gaba su za su tafiya. finar kawai abin da samu shirya wannan wasanni saboda a samu haɗin kai bisa kan matasa ana jin daɗi ana gamewa kuma ana rage lokaci ana rage wani tunani bai ta aka yansu ba su hana mana karatu da muku tunani tun da cikin sun yi duka awa biyu na kenan bayan la'asar aka farawa sati guda suka ɗauka har zuwa final to na fi an shirya shi yau an fara bugawa to yaushe ne za a yi final din muna nan ga wani shirye-shirye da aka ce masu yaman scientific cultural sportive kenan wannan wasanni na da zai ɗauka shi ma kwana biyu mun yi program insha Allah muna da didier otrowa kenan wata mai hita wanda ya ci wani irin tukuci ne ake bashi musamman ala la edition da match inter sama kenan ta sexual lycée college za a basu su kofofi sannan ita ko kokoci da kwatatto za a samu a bata balo kenan mata kama an samu hali ma yau mun ce letura premier kenan uku na gaba su ma za a basu. Alors, la Ligue régionale de taekwondo de Niamey a procédé ce week-end à l'ouverture de la saison sportive de l'année 2024. Oui, Rabi, euh, il faut noter que ça s'est déroulé au stade municipal de Niamey en présence du président de la Fédération nigérienne de taekwondo, Maître Soumana Sanda. Les cinq districts de, euh, la commune de Niamey ont organisé un défilé suivi de séries de démonstrations. notant que Niamey représente le réservoir du taekwondo nigérien. Et oui, euh, la nouvelle saison régionale d'athlétisme de DIFA a débuté également ce week-end à Sumi. Oui, et C'est le gouverneur de la région qui a donné le coup d'envoi en présence de toutes les couches sociaux professionnelles de la région. C'est pour encourager les jeunes athlètes de la région à redoubler d'efforts en cette année 2024 sur le plan national et international. Et justement, parlant d'international, la CAF a désigné les meilleures équipes et acteurs qui se sont illustré lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, championne en titre, remporte le trophée plus la médaille d'or et la somme de 4,2 milliards de francs CFA. Je dis bien 4 milliards de 4 2,2 milliards de francs CFA. Le, Niger, le Nigeria, pas le Niger, hein, le Nigeria vice-champion avec euh, une médaille d'argent et la somme de 2,4 milliards de francs CFA. L'Afrique du Sud, médaille de bronze et le trophée de l'équipe Fair Play de la compétition. Plusieurs euh, joueurs également se sont bien illustrés dans cette 34e euh, édition de la Cannes l'équato-guinéen euh, Emilio Nsi, euh, meilleur buteur, 5 buts dont un doublé contre la Côte d'Ivoire et un triplé lors de son équipe face à la Guinée-Bissau. Williams euh, Tross et Kong le capitaine des Super Eagles du Nigeria désigné meilleur joueur de la compétition et le gardien sud-africain Ron Williams est désigné par la Confédération africaine de football meilleur gardien du tournoi. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci bien, Gourouza. On se dit euh, à très bientôt pour d'autres notre sport. Merci. Alors, notre projecteur est braqué aujourd'hui sur Madame Konerakia Siwa. Elle est spécialisée dans la transformation de lait local. Un portrait signé Oumu Umaru. Né à Toudou, commune de Boboy, Madame Konara Kiasiwa fait partie de la première promotion de l'école primaire de son village. Après ses études secondaires et supérieures, Rekia a commencé sa carrière à la fonction publique puis évolue dans l'entrepreneuriat. J'ai intégré l'association Gajel Soudoubaba qui a été créée en 1998. Je suis parmi les membres fondatrices de l'association. En même temps, je faisais aussi mes études. Quand j'ai fini mes études, j'ai fait le stage. Et après, euh, j'ai eu mon numéro matricule à la fonction publique en tant que secrétaire informaticienne. Donc, en même temps, je suis aussi dans les associations euh, des éleveurs. On est membre de la plateforme paysanne, membre du réseau des organisateurs et pastorale du Niger européen Donc euh, là où moi j'ai eu l'idée de ne pas s'arrêter seulement à la fonction publique. Et j'ai eu aussi beaucoup de formations et voyages d'études à travers mon association Gagel. Donc j'ai créé un centre de transformation du lait dénommé Récilet. Quand j'ai commencé, juste j'ai commencé avec 5 litres. Je fais le lait caillé seulement. Je pars avec quand euh, je vais au service. C'est après que j'ai commencé à réaliser mes rêves d'être transformatrice. Aujourd'hui, là où je te parle, je transforme 100 à 200 litres jour. J'ai sept employés. L'objectif de Madame Konerakia, c'est la promotion du lieu local. Et c'est à travers son entreprise et le séance de sensibilisation qu'elle mène pour promouvoir l'autonomisation des femmes et de l'élevage. Si moi je sensibilise euh, quelqu'un, il faut faire ceci, il faut faire cela, je devrais donner l'exemple. c'est pour cela que chaque dit, bon, aujourd'hui, je vais créer une laiterie. Et beaucoup de gens n'ont pas cru. Mais moi, je crois en moi-même. Je crois en moi-même. Je sais que ça va aller. Des fois, il faut oser. Qui ose gagne. Des fois, il faut transformer les obstacles en opportunités je suis dans l'avance publique. Je vois que vraiment je suis limitée parce que je suis passionnée de travail et je ne devrais pas s'arrêter seulement à mon salaire mensuel. Je devrais me battre. Je devrais vraiment euh, réaliser quelque chose. Des formations et des sensibilisations pour nos femmes pour la promotion de l'élevage en général et, et promotion du lait en particulier. Selon l'entrepreneur, le produit de son entreprise sont mal mieux connus, mais cela ne l'empêche pas d'avancer. Je ne peux pas dire euh, <laughs> totalement c'est pas, et quand bien même on a l'espoir et on garde toujours l'espoir, parce que dans la vie humaine, il faut pouvoir battre. Il faut être aussi choqué pour mieux travailler. Dans la vie, tout est possible si on est armé par le courage et la volonté. Pour Madame Konara Asiwa, à l'heure actuelle, les femmes doivent s'investir dans l'entrepreneuriat en valorisant nos produits locaux. Ainsi, elles pourraient être autonomes. Merci pour ce portrait inspirant de Oumu réalisé par Oumu Oumaru. Eh Samira, euh, passons au loti mhm. d'aujourd'hui qui nous parle des responsabilités du mari. Effectivement, Rabi, dans nos sociétés et nos cultures, euh, dans un couple, les responsabilités de chaque conjoint sont situées. Aujourd'hui, dans le loti du jour, euh, nous parlons de cette responsabilité-là envers son épouse et ses enfants. Suivons ensemble. Loti, <laughs> loti, <laughs> assalamu alaikum wa alaikum assalam aisa ba ni mokan ni goga he ifo gati tanti ai wai farga wallahi ai sihini jawo da tabi wallahi sihini subhanallah ai wai ga budaino wallahi ai farga subhanallah har da buya. ifo gati heka ki ai sai bani ifo noti wallahi usmanu amma ba ta yi handu in ka kai ya yan. ai salangaran yan ta bokan ai ga te usman bande agan salangaysi aganay miye so inginaya ga sintin yama a agondu nogo amma a singa ba daga dega gisigse windora ha wanki ga fu nogo bana kalwindi koyo gidi ka kaye bon son ne zan kai nogo ko je soki nim kandala kol awanji gano na agondu nogo so ingi kai gono dinga gisigse fu yan isi koy la kol wallahi sihini ayi isi ya kwara wallahi hey irkoi <laughs> hey dangai nangai mai hijabu sambo gaka iru koi gagar ne ai gikiya sai kan yan hima kagan di waltan ti asi bafu hey nan akka gaigar ne ai go ne ba ba ba ai to su bana assalamu alaikum wa alaikum assalam ah tanti ana kwaran kuna lokaci kukora oho ai ga ne za su bai nai go ne ai gogin bot Eh, tabbat ga cim aiman wasu ka haboci na no go yadin so da ko mu bokasino to irko dai mu dago nandi aizo ni ma ga sai nai ka windora ka goro irin salam to ni di haikan sai aika ne wo ai mu doga salan ni seno hayai wo kan ni goga te asibori ate handu yanne ya kan aika sa sabandi nin da aisa ni gorga sino kan halga kasonni man barmai son wa ayyuka aisi da sanni ta gifu kwai ne halga kasonni menin da hadin barmai wala aha aisa. ni goge ma wasar kurara yango banda ka din kun fu mu wai haire do kai jombe ha a usman amanin masara guna ba a ga hamo ganki gun ko ciwo ga hamo goda ha a fabu a bi ya kinon kai ga sambunda ni siga wayandi ni siga bankarai ha wo fotin goyo wo windo wora tanti ai bi bokan ti kurnyo ya ne gor habora ai kursi ba han kan ganwa ai mi ka fu ko ne kai na kan ai gudu ne ye ko ka jine te jen dai da ye kan da habora be du riba ai kan da wal man ta dinu usman irkoi dai mini yafa ni wanda wo ngano go hai kuljine a wani saluyan a wani ware a wani bankara da wani gahamu bano ni himanu ni maguna ka nin sambui kwarga kataneu ni bonno wani tina kulgo yadino arsilam ne amma ni wa goga nigo ga sambunda irko ha hada su bafa subhanallah ya hamsu musibo na won ware yasi ya dinga si baba na wo min gana gorgin hale hansefa hai kai na kan ni gudu a ga wasa ni wani neran do din wani almiya laise ni si bai matikan no zankai gin na fanda su ba di tunu amma din siga din siti sai haiki gaba subu isi ba fongo niga abin da niga kan bana musu ba tanti wal hanan isi aranga chim man tai gano niga alhaiha ni wanda gano niga alhaiha usman ar madu garan gorai te i hannu aisa alhana isi fanda ya yi hinne ai faham da loda da kan gwaijin da bandabo dai a aban in kunume ai kulkan gwaijin da bandabo ai ke sin ka tabbatan di ninda zan kai sai ay din dinga mbono usman ay sofu dai miye fu zama ga bekan ni ga sintin haisa ai ga tabbatar din sai kan ashe ga fillo ko ne wone wo munane yayi ashe ka ti haisa ai kan ai ga kini sai gorni fuwara ni misali ni zan kai din kunni za ka ni kurnye wo ni ha alhahi ma alhana sai ayo garan nan armadu dugaran sannai hanse aran gamar

Pour cette Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion de rappeler les responsabilités de tout un chacun pour faire avancer le couple. Passons à présent à la prochaine rubrique et c'est la culture linguistique pour vous. Nous sommes avec Alassane Abdou, rédacteur en chef du studio Kalangu, qui va nous en dire plus sur le mot love, amour ou en Bonjour chef. Bonjour Ravia, euh, Rabia, bonjour euh, Samira. Bonjour. Euh, s'il y a un mot, quand on le prononce, même si tu es fâché, tu ne vas plus être fâché. Mhm. S'il y a quelque chose, quand on l'explique, on te le dit, tu es obligé d'ouvrir tes dents pour montrer tes dents. S'il y a <laughs> quelque chose, s'il y a un mot, quel que soit l'âge, la grandeur, la taille de la personne, quand tu te lances ce mot-là, tu es quand même OK, prêt ou prête à répondre avec bonté, avec gentillesse à la personne sur ce mot love en anglais et l'amour en français. Ce mot, c'est un mot magique. Mm-hmm. C'est un mot magique. C'est un mot qui peut inonder n'importe qui. C'est un mot qui peut transporter n'importe qui. C'est un mot qui ne va pas ton poids pour ne pas te prendre, pour ne pas t'emballer. Et eh, vraiment, c'est un mot, je, ne sais pas quoi dire pour ce mot-là, qui emballe aussi euh, ceux qui sont de l'autre côté. De la vitre Qui nous et les, cadres sont tous in Donc, ce mot, nous le voulons partout, dans beaucoup de secteurs et dans beaucoup de domaines. Mhm. Quand tu fais l'agriculture, on te souhaite l'amour, aime ton travail, aime ce que tu es en train de faire. Quand tu as ton foyer, on te demande d'avoir d'amour pour tes enfants, pour ta femme, Beaucoup avoir d'amour pour ta copine, pour toi-même, avoir d'amour pour ton pays, avoir d'amour et avoir amour dans tout ce que tu es en train de faire pour te dire que ce mot se retrouve partout. Et de l'amour de soi aussi. Et de l'amour de soi aussi. Il faut s'aimer. C'est Donc, je vais reprendre ça un peu en zarma parce que je sais que les gens m'attendent autour de ça. Mhm. Amour, hal nirgaaki zaramsanaga gidek ti baksini baksini sanni zino kan da zanka kainno dalberino burku kan dumno da burhani kinisi ni bino ga farha herino kan bora jare ba kilo zambar no gonisi dini ay kainno dini ay berino kinisi aga hurna hamora mm -hmm. har kulka da gomo ni himanda mu bar da baksinai mu bar da baksinai na goyo kan negatesi mu bar da baksinai na almiyalose mu bar da baksinai na zan se ni gorku sino ni baksina ka har ku kan dinno baksinai wa ahiman da a bar ara baksinai a gumuwar bone baksinai a gumuwar fitina baksinai a gumuwar zaka gariyan baksinai mantakal eh, gumni hari kan ga borgere a makon da ni gumni do wosino hunkunan kasir na samu kati burkun no gabe kan irin niger labo labo no karra burku ginga dina ce kan sin da fitina waka sigine peyi laik no na sarki niga mhm. ya niga duniyar silamu no duniya ka bu kwar borno wadin sin da dina burku gonde gondongo amin ga farhati wasa kigine eh jingaro kan gono onkuni saint valentin valentino fondara mm -hmm. ir mo ir salam bore se vaccine ir ba vaccine ma tabbatu ir la ir ko mir la batu amir batu am bore kan ba cara batu am kati se gomni mo i wona vaccinera ir merci euh, pour cette rubrique culture linguistique pleine d'amour alors vous êtes nombreux à nous suivre grâce à nos médias partenaires de partout dans le pays. Merci pour tout cet amour. Écoutons quelques-uns de vos réactions. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ni suna na dauda mai daji ina nan eh, departament kinci rozerin cikin jihar agadas kalangu sai in ce maka radio ce ta karkara ta ire-iren mu talaka mutanen daji kalangu tana waye ma jama'a kai tana sensibilization tana ba mu wani labari wanda ma sai wajen ta muke isa mushi kenan mu a wajen mu radio ce mai mahimmanci kwarai-kwarai abu guda ne dai zan ce maka kalangu muke so gare ya kamata ta kara karhe fi inda karkara ma duk duka kowa da kowa ya kamata ya rika kama ta. suke radio ce ta mutanen karkara kenan ya kamata a ce yan karkara suna kama ta. nan ɗaya ne na gani shirye-shiryen su kaga akwai labarurka wannan da suke yi duka da kowane halshe suna yin labarurka kenan kowa sun sa shi cikin tsari da haka nan ne muka ce wannan kalangumu tana birge mu bisa ma wannan labari labari duka kuma tana tabo labari na ko'ina kamar kaga tana kusan mutum da yanzu ga kai kamar representant kenan kalangu tana kusan talakawa ko'ina kenan wannan abun ya muna daɗi bisa harkar kalangu shiri na studio kalangu a yanzu dai wanda muke shurara a bisa airtel a lamba 325 shiri wanda suka mashi take rayuwa na yau da kullum lalle wannan taken yana da mahimmanci tunda ya shahi kiwon lahiyan dabbobi da al'umma da labaru da bayanai kan noma da kiwo kasuwanci na matasa da jagoranci kuma da daidaita jinsi kuma da wasannu da nishaɗi da harakan fadodi da sauransu babban gudumar da nake so ko da akwai kenan a faɗaɗa kamar shirin ajiye makaranta na karatu na yara da makaranta na zamani kamar lakwal kamar makarantar allo da sauransu kuma abin da ya shafi tsatsauran ra'ayi kenan studio kalangu ta ba da himma a shiga karkara lungu zuwa saƙo a waye kan matasa Voilà, ici prend fin notre émission de ce mercredi 14 février. Vous étiez en compagnie de Rabia Meikano et de moi-même Samira Roafi. On se dit à 17h pour notre programme de 2h. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont rendu possible la réalisation de cette émission. Très bonne fête de Saint-Valentin à tous et excellent après-midi. bye. bye.